nous devons faire dafa parce que nous avons un renforcement de capacité pour secteur de la pêche secteur de la pêche et de l'aquaculture donc pour moi, le sujet est ko parce que le secteur pour nous il faudrait aussi que nous ayons une formation la formation requise pour savoir exactement parce que c'est un secteur évolue, évoluer technique day évoluer lépp évoluer Et thèmes yi retenir pour former les acteurs yi dafa solo donc nous y nous des former ci aquaculture former ci entretien ou infrastructure yi dinañ technique de transformation parce que le secteur aussi il dañ ci am trop. parce qu'actuellement, je crois que la préoccupation majeure du gouvernement c'est l'emploi des jeunes mais pour déggee ñu emploi employabilité il faudrait d'abord à la base qu'il y une bonne formation. Moi la formation en fait c'est c'est pour moi benn palier bu la parce que dafay continuer quand on parle de formation continue, nous sommes les malades de Donc, ces 800 personnes-là, nous avons des cellules Mais sur l'autre côté, nous avons des 800 personnes, 500 personnes, Ce nous avons des cellules. C'est ce que je veux dire, l'importance des cellules dans notre secteur. 3 heures du matin, si vous êtes marché au central au poisson, les cellules sont faites. Nous avons des cellules les cellules. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, je vais aussi dire pour remercier aussi l'accompagnement au transmettre. accompagne ak accompagnement wu DER aussi parce que nu may wax capacitation dafa am solo ñi tey jii nii bu doon amul formation requise bu baax ku ci dem lebi xaalis ci DER wala nga lebi bu ba xaalis ci banque aussi ci daanu nga jëm rek surtout que doo ko fay parce que xamoon nu ñu koy gérer xamoon nu ñu koy liggéeyee loolu moo tax formation dafa am solo. donc 3FPT ci turu maam Abi Seye ay mission moom tey jii mooy jàppale xale yi jàppale mag ñi. jàppale appelé surtout jigéen ñi donc formation yi ñu jotta a c'est au titre euh, c'est euh, au nombre de quatre actions de formation et c'est financé à hauteur de 100%. pour les montants globaux montant global formation tey maintenant mat na millions boo xam 3FPT mon ko mon financé à 100%. pour cent di secteur de la pêche renforcement de capacité nak dafa am solo te lu am parce que nit ki mën na ci dara di ci di ci liggéey des 3FPT pour jàppale nit dans le renforcement de capacité que ce soit le personnel des entreprises wala les associations et les organisations professionnelles